féliciter d'abord nos investis, mais aussi euh, féliciter l'ensemble des maires et des responsables politiques du Benno et même au-delà du Benno, parce qu'on a eu quelque part le soutien et l'adhésion de tout le monde. Mais je voudrais d'abord commencer par féliciter son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et président de notre coalition. Euh, Bokoyakar, mais aussi de la grande majorité présidentielle. Pourquoi je commence par lui Parce que vous, verrez que ce soir, euh, comme partout dans les départements du Sénégal, euh, on aura, il aura une victoire au sens d'un plébiscite. On en discute, on n'en disconvient même pas. On n'a pas tous les résultats. Mais prenons date d'ici ce soir ou demain matin, vous verrez qu'il aura un plébiscite. C'est une autre façon pour les Sénégalais, les élections étant, se succédant mais ne se ressemblant pas, les Sénégalais ont pu, sous différentes formes, lui renouveler leur confiance. Malgré euh, les analyses politiciennes euh, de certains, voulant donner la majorité à une, opposition, à une certaine opposition, euh, on aura ce soir également la confirmation de sa majorité ici au Sénégal. Donc je voudrais par là également féliciter nos investis. Euh, monsieur Malik euh, Ndiagan, maire de la commune de Kersosé, Madame Awa Mandao Sou de l'APR, non, excusez-moi, de l'AFP, qui repasse pour un second mandat féliciter aussi Madame Ami euh, Faye de Ganjaï et notre collègue Mamadou Tchoun de la commune de euh, Latmenge. Donc le département de Kaolak a encore gagné. Et ceci, c'est du fait de l'engagement de tout le monde. Mais on ne peut pas ne pas distinguer l'engagement du président, du ministre Mamadou Ndiaye Rahma pour cette campagne en termes de moyens, mais aussi de présence, mais aussi celle euh, de l'honorable député, Aïssatou, député maire Aïssatou euh, Ndiaye, plus connu sous le nom de Aïssatou Ndiafat, qui est une dame, mais une brave dame, qui a fini de prouver qu'une jeunesse, euh, qu'on bien née, la valeur n'attend point le nombre des années. Remercier tous ceux qui ont participé, de loin ou de près, à cette victoire-là. Euh, c'est mon sentiment vraiment que j'avais, dans un contexte où euh, le Sénégal est en train de vivre une situation particulière. Euh, je, crois que ces résultats vont beaucoup soulager son excellence le président Macky Sall. te tey tey ñu son excellence le président Macky Sall Sénégal est en ci de se wax Je ko léegi nee résultat fii mais xam nañ ne résultats. yi incha allahu rabbi liñ ci yaakaar rek dina ci am. kon nag du ñu def lu sur le terrain di ñi nga xam ne participer nañ ci de près ou de loin ñu ngi leen di sant bu baax di de gërëm di wax son excellence xolam dina seddaat ci Kaolack te les résultats yi yal na reflété wu au niveau de Gossas fa laa jaar au niveau de Guinguinéo au niveau de nyoro, au niveau de fatigue, pour que centre bi ak nous ñu xam pôle régional Sine Saloum delloowaat na son excellence président Macky Sall njukkal jërëjëf.